le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum Il est 18h passé de 15 minutes à Niamey. Chers auditeurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. C'est l'heure de votre forum. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés en direct par 34 radios partenaires présentes dans toutes les huit régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Amfani FM 100 MHz, Quartet FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Nos émissions sont également suivies sur WhatsApp. Le forum du studio Kalangu est une émission radiophonique d'échange, de débat et d'édification à travers laquelle des personnes ressources apportent des réponses précises aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société. C'est dans cette optique que nous vous proposons ce soir comme thème bilan de l'année scolaire 2017-2018, analyse des résultats des examens de fin d'année au niveau du secondaire et préparatif de la prochaine rentrée. Comme vous le savez, l'année scolaire 2017-2018 a connu de graves perturbations qui ont failli la compromettre totalement. Cela faisait suite à une crise qui a éclaté à l'université de Niamey après une altercation entre les étudiants et un enseignant-chercheur le 7 février 2018. Après l'exclusion de cinq dirigeants scolaires de cette université et face à de nombreuses revendications, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens avait lancé un mot d'ordre de grève illimitée qui s'étend sur l'ensemble du pays. Bref, les conséquences, plusieurs écoliers n'ont pas pu achever leur programme ou les ont terminés dans une précipitation qui ne favorise point la compréhension et l'assimilation des cours. Quel bilan faut-il donc tirer de cette année scolaire chancelante qui vient de s'écouler Quelles leçons devons-nous tirer de ce long bras de fer qui l'a rendue relativement moins fructueuse quelle appréciation mérite ces taux de réussite enregistrés cette année au BPC e et au baccalauréat Environ 40% pour le BPC e et 26% pour le baccalauréat selon le président de la République Issoufou Mouamadou. Que faire pour une amélioration de ces taux de réussite et du niveau des scolaires à l'avenir Pour répondre à toutes ces questions et à plein d'autres encore, nous avons dans ce studio trois invités. Il s'agit de Abdoulaye Adamou, président régional Niamey de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants. Président, bonsoir. bonsoir, Dambaji, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire. Cheikh Dambaji, bonsoir. Eh, et bonsoir, Et Abdul Razak Munkaila, secrétaire chargé des affaires académiques et sociales du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Bonsoir. bonsoir. Nous précisons que nous avons également invité pour euh, ce forum le directeur général des enseignements secondaires qui s'est excusé. Il nous a informé que le ministère en charge des enseignements secondaires fera une communication relativement à ces résultats, mais ultérieurement. À la présentation, Michel Dégis. Pour commencer, suivant le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, annonçant ses résultats de fin d'année dans son adresse à la nation à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance du Niger. Les taux de réussite au BPC et au BAC sont respectivement d'environ 40% et 26%. Ces taux très faibles de réussite aux examens ne sont pas le seul fait des enseignants dont le niveau est souvent mise en cause. Ils sont surtout le résultat des perturbations multiples qui jalonnent euh, l'année scolaire. Je veux parler des coups de sifflet intempestifs, des grèves euh, multiples, des retards et absences euh, de tout genre, qui ont pour conséquence des programmes inachevés ou bâclés. Ce n'est pas étonnant que les meilleurs résultats scolaires proviennent des établissements où la discipline est de rigueur et où les années scolaires sont complètes et normales. Nos scolaires, élèves et étudiants doivent comprendre qu'il s'agit avant tout pour eux de préparer leur avenir. Il est dommage que certains d'entre eux entraînent les autres à gaspiller l'occasion qui leur est offerte de s'instruire et de se former afin d'être utiles à eux-mêmes et à la société. Je n'appelle à une prise de conscience collective des élèves, des enseignants, des encadreurs pédagogiques des syndicats, des parents d'élèves et des responsables des établissements scolaires pour un retour à la discipline, à la rigueur qui par le passé ont fait la fierté de notre système éducatif en vue de rétablir les années scolaires normales. Autrement, c'est notre jeunesse qui en paye le prix. Chef Dambaji, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, quelle analyse vous suscite cet extrait du message du président de la République merci Michel. Alors, euh, le président euh, a parlé d'une chose qui est déjà connue. Euh, l'instabilité de notre système éducatif, c'est un secret de polichinelle. Ça veut dire que c'est connu de tout le monde. Et ça ne date pas de cette année. Alors, l'approche me paraît discutable. Mm-hmm. Parce que euh, la présentation que le président fait des difficultés que rencontre nos systèmes éducatifs, l'a fait reposer essentiellement sur les acteurs de l'école, qui sont les enseignants et les élèves. Mm. Mais <laughs> eh, Michel, croyez-vous qu'un élève, ça lui fait plaisir eh, de quitter l'école euh, comme ça pour rien Ou un enseignant, ça lui fait plaisir d'aller en grève comme ça pour rien alors, <laughs> j'aurais bien voulu quand même que, que dans son adresse, que le président reconnaisse comme la responsabilité du gouvernement. Vous avez parlé de cette année qui a fini dans des conditions dramatiques. Mais les raisons sont connues de tout le monde. C'est ce qu'il y a à la base, c'est des revendications incorporatistes des étudiants. Quoi qu'on dise, ce qui s'est passé en fait à l'université n'était, je dirais que c'était la goutte d'eau qui a fait euh, déverser le vase. Donc, oui, les résultats sont médiocres. Euh, nous sommes d'accord que les résultats sont médiocres. Mais au niveau de l'explication qu'on donne, euh, l'instabilité à elle seule ne suffit pas pour expliquer ces taux médiocres. <laughs> Mais vous avez le fait que les enseignants, l'environnement dans lequel les élèves se trouvent, ça aussi, ça contribue. Si vous êtes dans un établissement où vous n'avez pas de manuel pour faire des préparations, où les élèves n'ont pas de manuel pour s'exercer, donc il y a des choses qui s'expliquent aisément. Et vous avez aussi euh, le fait que dans la plupart de nos CES ruraux, il y a un problème d'enseignants véritablement. Et le profil, assez souvent, les chefs d'établissement ils font avec ce qu'ils ont en main. Donc, on peut appeler un enseignant que, qui n'a pas totalement le profil pour enseigner une discipline. Mhm. Donc, voilà les réalités que nous connaissons sur le terrain qui font que euh, notre système euh, n'est pas du tout performant. Vous savez, il ne faut pas idéaliser. <laughs> moi, je suis de la génération des années 80, j'ai fait mon bac en, en 78 même dans les années 78, quand même, euh, on ne faisait pas 55% au bac. Donc c'est pour vous dire que même en son temps... C'était beaucoup moins. Non, c'était beaucoup moins. Mhm. Pendant qu'aujourd'hui, eh, vous prenez eh, en France une académie qui fait eh, moins de 70%, on dit que ses résultats ne sont pas bons. Donc il y a certainement des raisons de s'interroger sur l'efficacité de notre système éducatif et la responsabilité, moi je suis de ceux qui croient, ceux qui ont en charge la gestion du système-là. C'est eux qui en sont responsables. Parce que l'éducation a un prix. Mhm. Ceux qui ont le meilleur système éducatif, on constate que ce sont ceux qui mettent le plus le prix. Ceux qui mettent les moyens qu'il faut pour que leur système eh, soit eh, performant qu'il y ait un bon, environnement d'apprentissage, que les élèves eh, puissent disposer de tout ce dont ils ont besoin pour apprendre et que l'enseignant aussi soit motivé pour euh, transmettre les, connaissances qu'il est censé transmettre aux élèves. Donc ah, voilà ben, moi le commentaire que... <coughs> Mhm. Euh, vous pensez que le gouvernement a un rôle euh, prépondérant à jouer Abdelazak Munkela, secrétaire général des affaires au niveau donc euh, du comité directeur, vous avez en charge les affaires académiques et sociales du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Le chef de l'État à juger ces résultats mauvais avant d'appeler tous les acteurs de l'éducation à agir avec plus de responsabilité sur les causes de la baisse du niveau des scolaires pour l'intérêt du pays. Vous avez été interpellé. Quelle réaction Merci beaucoup, Monsieur Michel, bonsoir. Si nous devons donner une, faire une interprétation du moins de la sortie médiatique, parce que nous, nous considérons ça comme une sortie médiatique, non un message à la nation de la part du président de la République. Il faudrait d'abord soulever un certain nombre de choses. Premièrement, nous ne pouvons pas comprendre comment un président de la République puisse sortir, s'adresser à son peuple avec des termes comme environ et ils donnent des chiffres. Nous, nous voulons qu'on nous dise réellement et concrètement quels étaient les vrais chiffres. Et nous avions constaté qu'au niveau du BEPC, au, niveau d'abord du bac, le mm. président de la République a dit environ 26%. Mais en réalité, nous sommes, nous sommes à 28,73%. Mm-hmm. Mais comment est-ce qu'il y a une hausse par rapport, à, par rapport à ce que le président de la République a dit. Comment un président de la République peut se tromper jusqu'à ce niveau Il a dit quand même environ. Environ, mais mm-hmm. il ne doit pas parler avec en des termes comme environ. Il doit nous donner des chiffres exacts. C'est le premier responsable du pays. Mm-hmm. Par rapport eh, à la question du BEPC, là aussi, il a donné des chiffres. Environ 40%. Environ 40%. Et là aussi, les chiffres restent à désirer. Mais quand nous allons rentrer au fin fond de la chose, parce que nous, en tant que responsables des scolaires, nous nous sommes sentis touchés, pointés du doigt par le président de la République dans son message à la nation. Mais ce qu'il faudrait noter, les premiers responsables de l'échec, parce que pour nous, le système éducatif nigérien est en train d'échouer, c'est ce gouvernement-là. On prend l'exemple des enseignants chaque fois quand on part vers eux en termes d'enseignants pour leur faire notifier le manque d'enseignants au niveau de nos établissements. Ils nous disent que, ah, premièrement, les enseignants sont en Yamé, il y a combien d'enseignants par classe à un moment, nous les avons interpellés pour leur dire que ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Quand vous estimez qu'il y a un surplus, mais il faudrait affecter et créer les conditions pour que les affectations puissent être suivies à la lettre par ceux qui ont été affectés. Nous avons fait une année, là, nous avons passé toute l'année passée en train de faire ces débats. Mais au finish, nous-mêmes, nous nous sommes intéressés à la chose et nous avons dit que nous allons faire des sorties au niveau des établissements de la capitale plus précisément de Niamey, mhm. pour réellement se rendre compte de la situation académique. Mais je vous le jure, ça fait pleurer. Comment est-ce que dans une capitale, on peut trouver des élèves qui étudient à même le sol Dans une capitale où on estime que les enseignants sont en surnombre quand on a demandé aux différentes sous-sections des lycées et collèges de nous amener la situation de leurs enseignants, il manquait plus de 300 enseignants, ne serait-ce qu'à Niamey. Et ça, c'est seulement à Niamey. Quand vous allez sortir aux alentours de Kolo, Saï, sans pour, pour autant aller très loin, vous allez constater que c'est des, des établissements qui vont faire six mois c'est les neuf mois de l'année académique, sans enseignant de maths et de physique chimie. Le chef de l'État a fait allusion à vos euh, coups de sifflet incessants. Est-ce pour toutes ces raisons que vous ne pouvez pas modérer ou diminuer dans... Nous, nous d'ailleurs, nous ne comprenons pas ce qu'il appelle coups de sifflet incessants Quand il y a des conditions, quand les conditions du monde ne sont pas réunies pour étudier, comment est-ce que nous allons faire Même si nous ne sifflons pas, aujourd'hui, aux alentours de Niamey et, à l'intérieur du pays, il y aura des élèves qui ne connaîtront jamais un enseignant de physique chimie 9 mois 9, un enseignant de maths 9 mois 9, un enseignant de philo 9 mois 9. Parfois, c'est des enseignants de SVT, c'est des enseignants du collège qu'on prend pour qu'ils partent au lycée enseigner et préparer nos camarades afin qu'ils puissent se présenter au bac. S'il vous plaît, bon sang, bon Dieu. Est-ce que le manque d'enseignants, c'est la cause, c'est la responsabilité des scolaires nous avons également, nous allons revenir à vous, nous avons également Abdoulaye Adamou, il est le président régional Niamey de l'Association nationale des parents d'élèves qu'il représente euh, ici. Monsieur le Président, vous, quel bilan vous tirez de cette année Est-ce que vous êtes satisfait des résultats obtenus par les élèves Merci, euh, le studio euh, vous de nous avoir invités pour en débattre de, ce, de cette situation. Juste, euh, par rapport à la déclaration du président de la République. Son message à la nation. Le message à la nation. Donc, euh, dans tous les cas, il a évoqué les perturbations, l'instabilité, n'est-ce pas mm-hmm. Et que, il a demandé aussi que tous les acteurs, hein, avec plus de responsabilité, mm-hmm. d'une responsabilité à une autre, le premier responsable, c'est le président de la République. Mm-hmm. pendant qu'il y avait eu ces événements, euh, les universitaires, mm-hmm. durant deux mois, mm-hmm. vous savez, il y avait l'instabilité totale de la ville de Niamey. Alors, en ce moment, je vais vous donner un exemple d'un autre chef d'État, en l'occurrence le l'ancien président Tanja, quand il y avait eu ce problème, il s'est rendu de lui-même à l'université, s'asseoir avec ses universitaires, demander leurs problèmes. Et le lendemain, il a envoyé ses ministres en charge pour remédier à tous les problèmes. Et on a pris la bonne route. Aujourd'hui, pendant tout ce temps, le président était, on dirait qu'il était absent même au Niger. Il est resté dans son coin. Les parents ont crié, tous le médiateur, tout un chacun, tout un chacun intervenu pour que la solution soit résolue immédiatement. Hélas, on est resté pendant deux mois sans aucune solution. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Pendant que lui, en tant que responsable de ce pays-là, il peut mettre sa main, il peut quand même euh, et vraiment venir au secours immédiatement pour arrêter tout cela parce que c'est tout le problème, c'est une question d'argent. Les revendications de ces étudiants, de ces élèves, c'est pas l'affaire qui est l'événement de l'enseignant et le... Du 7 février, l'altercation. C'est pas cela. Et une agression selon les enseignants. Ça, c'est pas cela le problème. Hmm. Ça, ce n'est que juste quelque chose qui est arrivé. Alors, dans tous les cas, eh, le fond même de, la situation, que ce soit dans les scolaires, dans les lycées et collèges, il y a eu un problème de finances. Et même de l'autre côté, ils s'apprêtaient à aller en grève. Et quand il y, avait normalement un mouvement, c'est un incident qui est arrivé. Et on a quand même pris cela comme prétexte, soit disant il y a eu une agression d'un enseignant. Mais dans tous les cas, le fond même du problème, le Niger c'est le finance qui en manque. Quand les députés ont voté 25% à introduire dans, le, dans l'éducation, vous imaginez qu'on n'a même pas mis les 11%. Il est bien vrai que l'État a construit des bâtiments, a construit beaucoup de choses. Mais le finance n'est pas vraiment suffisant pour que l'éducation marche. Ça veut dire que selon vous, vous pensez que l'État n'a pas joué sa partition Le président, même dans cette même dé euh, déclaration, l'a dit que l'État, le non-engagement de l'État, il l'a dit dans cette déclaration, que l'État n'a pas honoré à ses engagements. Et l'Association nationale des parents d'élèves l'a dit au gouvernement que l'État doit honorer à ses engagements. Ces engagements, c'est quoi C'est des engagements financiers. Là, encore. C'est un appel, il a lancé, hein, le chef de l'État. Il... a, bien dit que l'État n'a pas honoré. Vous allez suivre ça un peu. Mm-hmm. L'État n'a pas honoré à ses engagements. Les députés l'ont dit, ils l'ont confirmé eux-mêmes dans leur déclaration, que l'État n'a pas honoré à ses engagements. Les parents d'élèves l'ont dit, lui-même le président de, la République. Mais si l'État n'honore pas à ses engagements, à qui la faute Qui est responsable de l'État C'est le premier responsable, c'est le président de la République. Il ne faut pas aller loin. Dans tous les cas, tout ce qui est, arrivé, c'est une question de gestion. Il y a une mauvaise gestion aujourd'hui. Le système éducatif est très mal géré. Mais est-ce que l'État est le seul responsable, vous pensez Je vous dis, même si on veut amener la sérénité dans les écoles, il faut fournir les moyens aux encadreurs, aux enseignants, aux élèves pour que la sérénité revienne. Pendant que l'élève n'arrive pas à avoir ce qu'il devait avoir, l'enseignant n'a pas ce qu'il devait avoir, mais je vous assure que l'école ne sera jamais stable. Et c'est là le problème. Le non-engagement, il l'a confirmé lui-même dans, dans, son message à la nation. Donc quel est le problème Et maintenant, par rapport au taux de réussite, mais si vous remarquez aujourd'hui qu'un ministre n'arrive pas et un ministère, par exemple, quand on prend le, bac technique, on a 440 admis. Mhm. Sur 1516, 29%. Au bac professionnel, là, c'est là où peut-être ça a marché. Et 747 sur 12 000, 94, donc 57%. Et au bac général, voilà où encore, mais ils ont 15 696 admis sur 55 942. Donc 28%. C'est ce 28%-là qu'il a pris comme référence. Mhm. N'est-ce pas Donc maintenant, quand maintenant, eh, dans certains pays, vous êtes directeur d'école, je suis directeur d'école, si j'arrive à avoir 20%, l'autre à 65%, moi, on me remplace l'année prochaine par quelqu'un. On n'a pas besoin, c'est évalué. Donc, systématiquement, quand il y a une défense dans ces en charge de l'éducation. Le taux de réussite. Mais pourquoi ne pas remplacer ces ministres La faute provient d'où Le taux de réussite, ce qui veut dire que l'ensemble du ministère n'a pas géré, n'a pas géré vraiment avec plus d'efficacité. Donc, euh, je, vous ne pouvez pas être ministre et avoir 28%. et vraiment, dans certains pays, ils doivent même démissionner. C'est cela le problème. Aujourd'hui, nous les parents, nous sommes les plus victimes. Nous sommes les plus victimes. Aujourd'hui, l'éducation nigérienne, vous voyez au niveau des, collèges, on est parti d'une évaluation au niveau des primaires. Cette évaluation-là, aujourd'hui, on envoie des élèves qui ne savent même pas écrire. Chaque école envoie à 100% ses élèves dans les collèges. Et les 80% de ces élèves-là sont renvoyés aussitôt leur année. 80% de ces élèves sont renvoyés. À partir de la sixième À partir de la sixième. Ça Ce qui veut dire que c'est une bombe à retardement. Mhm. Si on ne fait pas attention dans ce pays-là, même ceux qui ont fait les, classes supérieures, qui doivent avoir le passage, n'ont pas, pas eu le passage à 100%, à, à un taux vraiment haussé. Ce qui veut dire que on risque d'avoir d'ici peu rien que des badauds dans ce pays-là. Et c'est un danger, c'est une situation très grave. L'élève qui va en sixième, 80% de ses élèves sont, je vous dis, sont renvoyés à partir de la sixième. Et ceux qui partent, sur ce qui veut dire que sur 100 élèves, 75 finissent au bac, à partir du bac, 25, 5 seulement arrivent à l'université. Ce qui veut dire que euh, près de 50% sont renvoyés. Nous avons beaucoup d'inquiétudes que soulève le président qui représente l'association des parents d'élèves et d'étudiants. Nous allons revenir sur euh, certaines de ces inquiétudes et voir qu'est-ce qu'il faut proposer alors parce que c'est un appel et un réveil euh, qui doit être lancé à tous les niveaux, au niveau de tous les acteurs. Nous allons donc faire un zoom sur ces différents taux de réussite, environ 40% pour le BPC contre 29,98% en 2017 et environ 26% au baccalauréat contre 26,06% pour le bac de l'enseignement euh, général de l'année passée. On constate euh, tout de même une hausse par rapport aux deux dernières euh, années. Chef Dambaji, malgré toutes les insuffisances évoquées plus haut par rapport à la stabilité de l'année, est-ce que vous avez l'impression que cette légère hausse de taux reflète réellement le niveau des scolaires Non, Michel, je crois qu'il faut euh, rectifier les, chiffres. Hmm. En tout cas, relativement au baccalauréat, si on prend les deux dernières années, il n'y a pas eu augmentation. Hmm. du moins, au euh, bac, par rapport à, non, et, aux récents chiffres évoqués par... Non, euh, hmm. au bac, il y a eu augmentation. Tout à fait. Donc il n'y a pas eu régression. Tout euh, à fait. 2016-2017, ça je suis. Il y a augmentation suis, 2016, 2017 et 2018. Voilà, je suis. C'est là, qu'il y a d'ailleurs l'augmentation. Voilà. C'est ça. Non, là il y a augmentation. Tout à fait. Mais ça vous savez, l'enseignement a une grille d'appréciation des résultats académiques, mm. des résultats scolaires. Lorsque vous avez 50 50% même c'est passable. 20%. Mm-hmm. 20%, la fourchette 20%, et 40%, c'est considéré comme médiocre. Vous voyez, ça veut dire que même dans les, années où nous avons, où nous estimons euh, que les résultats sont satisfaisants, entre guillemets, parce que satisfaisant, ça correspond au moins à assez bien, mhm. et assez bien, ce 60%. Donc, euh, nos résultats sont médiocres. Ça, ça c'est un fait. Mhm. C'est un fait. Donc, euh, on ne peut pas... Euh, on peut pas dire qu'on est satisfait de ces résultats. Maintenant, en termes de responsabilité, vous savez, j'entends assez souvent les gens dire tout le monde est responsable. Non. La gestion d'une communauté, il y a des gens qui ont en charge la gestion de cette communauté. Par exemple, l'école publique, ce sont les ministres c'est le gouvernement. Ceux qu'on a élus, c'est eux qui ont en charge la gestion du, système éducatif. C'est à eux de faire en sorte que le système éducatif puisse marcher. Hmm. Et, qu'il soit, et pour qu'il marche, il faut qu'il soit stable. vous, l'avez dit, à ce niveau, euh, ils ont une part de responsabilité. non, non, moi je ne dirais pas une part de responsabilité, ils ont la responsabilité entière. Les, <laughs> les étudiants, lorsqu'ils manifestent, lorsque les étudiants manifestent, <laughs> mais c'est pour demander les bourses. Qui donne les bourses Ce n'est pas l'État qui a en charge, ceux qu'on a élus là, ce n'est pas eux qui ont en charge de créer les conditions pour que les étudiants aient les bourses. Il a fait cas aussi euh, de la baisse euh, du niveau au niveau des enseignants. Non, vous savez ça là, c'est un serpent de mer. C'est un serpent de mer, ça veut dire que personne ne peut vous dire sa forme. Vous voyez, depuis qu'on était euh, jeune, euh, jeune élève au collège, on parlait de baisse de niveau, de baisse de niveau. Non, il faut, il faut qu'on soit sur eux. Baisse de niveau, là, il faut relativiser les choses. C'est à, quel niveau qu'il y a baisse de niveau à suivre ce qu'explique le président de la République. On a l'impression qu'il veut que l'école retrouve ses lettres de noblesse, c'est-à-dire euh, la rigueur d'antan. Vous, vous, savez, tout le monde, il n'y a pas un qui a vocation. Vous croyez que les enseignants qui grèvent là, ils ont vocation à gréver Ça leur prête de, ça leur de gréver Non. Et ce qu'ils demandent, ça participe de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Lorsque enseignant demande qu'on rehausse son salaire, qu'il ait des primes indemnités, ce n'est pas, euh, ce n'est pas euh, pour lui. C'est sûr que c'est pour lui immédiatement, mais ça participe aussi de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Donc, <laughs> si nous voulons d'une école qui est performante, il faut mettre le prix. Et le prix permet de traiter les causes qui font que notre système n'est pas éducatif. La première chose, c'est l'instabilité. Nous sommes tous d'accord qu'il y a instabilité, mais il n'y a pas que l'instabilité. Si vous envoyez un enseignant au, au fin, de la brousse dans un CS, dans un collège reculé, où vous lui envoyez même pas le manuel et les programmes, eh, il, va, il va prendre des vieux cahiers des élèves euh, des autres établissements. Vous croyez que c'est des conditions optimales pour que le système soit euh, performant Vraiment, les conditions de la performance sont connues, Michel. Si vous voulez une école de qualité, les conditions sont connues. Il faut la stabilité. Il faut un, enseignant de qualité, un enseignement de qualité. Et l'enseignant de qualité, euh, c'est l'environnement un bon environnement d'apprentissage. Ça veut dire qu'il y a les manuels, les élèves sont prêts à apprendre. Et aussi, il faut motiver l'enseignant. Vous croyez que si vous payez l'enseignant avec euh, euh, en, deux mois, vous lui assurez un salaire, alors que vous avez le contrat, l'obligation de le payer chaque fin du mois, vous pensez que ça, ça participe de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Vous savez, euh, comme on dit en, euh, les, les, bonnes intentions, là, elles ne suffisent pas. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce il faut des actions concrètes. Mais il faut des actions concrètes. Ce, que, je, ce que je relève, mm. nos politiques, euh, quand ils abordent ces questions-là, ils vous font des grandes promesses. Mais malheureusement, nous qui sommes sur le terrain, nous crions. dès qu'on nous voit parler, on dit Ah, c'est des mal-pensants. Non, nous ne sommes pas des mal-pensants. Nous aimons ce système. Et ce que nous demandons, c'est pour que ce système-là puisse bien marcher. Merci. Il y a donc euh, une légère hausse de réussite euh, progressivement par rapport aux trois années précédentes. Vous, dites que cette hausse, c'est toujours des, résultats médiocres. je vais vous expliquer une chose. Mhm. Vous savez, assez souvent, les gens comparent les résultats du BPC et du BAC. La comparaison pas dû, ne, doit pas avoir lieu. Mhm. Vous savez pourquoi, Parce Parce qu'au BPC, et quoique le décret organisant le BPC est prévu l'admissibilité au deuxième groupe avec 8 sur 20, on va, on, repêche. y or, la notion de repêchage, là, pour le deuxième groupe, n'est pas prévue. Il faut avoir 8 sur, 8 sur 20 pour que vous soyez autorisé à passer le second groupe. En tant qu'acteur, ça veut dire que vous pensez qu'il y a eu des arrangements pour arriver à ce taux Mais, mais c'est des arrangements, et je ne le dis pas, je, n'invente pas. Mhm. Si le décret dit que c'est avec 8 sur 20 que vous êtes autorisé à passer le deuxième groupe. Mhm. Mais vous, vous savez qu'au bac, si vous êtes à un point de 8 sur, 20, mhm. <laughs> vous n'êtes pas autorisé à passer le second groupe. Alors, euh, si vous avez l'occasion, il faut demander au chef du service euh, du, non, du, BPC, des examens au concours, mhm. qu'il vous donne les résultats du BPC si on doit considérer que seuls ceux qui ont 8 sur 20 sont autorisés à passer le deuxième groupe. Vous allez voir que ces résultats-là, ils seront en deçà de 20%. Donc, euh, euh, le bac, c'est des résultats, je dis, je ne dirais pas que c'est appréciable, mais on ne peut pas les comparer avec ceux du BPC où, lorsque vous êtes autorisé au deuxième groupe, 100% passe. Tous les élèves passent. Mhm. Mais au baccalauréat, ce n'est pas comme ça. Il y a des, des séries, les séries D là il y a des jurys où vous avez 50% des élèves autorisés à passer le son groupe qui échouent. Donc, lorsque vous êtes autorisé à passer le son groupe au bac, vous n'allez pas organiser la fête. Il faut attendre d'abord qu'on proclame les résultats. Nous allons donc euh, progresser. Abdelrazak Monkeila. Au niveau du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, à votre niveau, est-ce que vous avez eu à tirer des leçons de ce long bras de fer qui vous a opposé aux enseignants-chercheurs, mais aussi au gouvernement Votre mot d'ordre a finalement été levé sans pour autant avoir ce que vous avez préalablement exigé. Avez-vous regretté des choses à ce niveau Et en ce qui concerne les regrets, nous ne regrettons rien rapport à notre mot d'ordre. Vous avez appelé vos, vos, camarades, les scolaires, à ne pas étudier pendant deux mois environ, sans rien faire. Et nous avons appelé les camarades à ne pas étudier pendant deux mois. Au fait, le problème que nous avons à ce niveau, c'est que on limite ou bien on délimite notre mot d'ordre à la réhabilitation des cinq camarades exclus. Alors que ce n'est pas ça. C'est un mot d'ordre qui concerne sept points, dont des points qui concernent les sections lycéennes et collégiennes, des points qui concernent la démarche du ministère des Enseignements supérieurs en tant que tel, des points qui concernent l'université de Niamey en tant que tel, et c'est tous les enseignants-chercheurs. Et par rapport aux enseignants-chercheurs, ce que nous avions eu à déplorer et que nous voudrions à ce que l'État revienne sur ça, c'est l'autonomie des enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, ces enseignants-chercheurs ont une autonomie qui fait que le recteur de l'université de Niamey n'a pas d'instruction à donner à un doyen. Les doyens n'ont pas d'instruction à donner au chef de département. Les chefs de département n'exigent pas aux enseignants-chercheurs de faire leurs cours, de corriger les copies à de faire leurs examens à Tout cela, c'est des c'est des raisons que le gouvernement a fini par comprendre et nous avions réussi à amener aussi l'opinion nationale et internationale à comprendre réellement le comportement de nos enseignants-chercheurs. Et ce gouvernement est en train de prendre des mesures vis-à-vis de ces enseignements-chercheurs. Est-ce qu'on peut dire que ça, vous avez eu un degré euh, satisfaisant ça, en ce qui concerne votre plateforme et c'est cela qui En vous a ce qui concerne notre plateforme, c'est seulement sur un point que nous n'avions pas eu de satisfaction en ce qui concerne la réhabilitation de nos camarades exclus. Sinon, les six autres points des propositions ont été faits. Et nous avions aussi jugé utile d'élever notre mot d'ordre, de ne pas continuer à maintenir le mot d'ordre pour un seul point, pour aussi sauver l'académie. Parce que nous avions compris que nous sommes face à un gouvernement qui ne se soucie pas du tout de l'école nigérienne. Au mm-hmm. moment où l'ensemble des scolaires de ces pays-là étaient dans les rues, étaient en train de gréver, ce gouvernement s'était adonné à autre chose. Et pire, ce même gouvernement, à un moment, nous a appelés pour nous dire en tant que petit frère, en tant qu'enfant, nous vous demandons d'élever notre votre mot d'ordre pour que nous puissions nous retrouver sur la table des négociations. Même les parents d'élèves peuvent le confirmer. Nous avions lever notre mot d'ordre. Mais le gouvernement n'a pas voulu agir, le gouvernement n'a pas voulu se mettre la table des négociations. Comment un gouvernement peut ne pas être aussi responsable que ça Je vous prends aussi l'exemple du BEPC sportif que le comité directeur a voulu boycotter. Où c'est le, le premier ministre en personne qui a appelé le secrétaire général de l'ISN pour lui dire vers 22h, Ider Al-Gabi, d'élever le mot d'ordre et que demain, les négociations vont commencer au niveau de la primature. À 10 heures, nous avions levé notre mot de tardivement. Nous étions partis à la primature vers 10 h À 11 h les négociations ont commencé, mais nous avions compris que nos parents et nos, grands, et nos grands frères, en réalité, ne voulaient pas tenir parole. C'est juste un jeu que nous ont fait. Ce qui nous amène, nous, aujourd'hui, en tant que comité directeur de l'ISN, à ne plus avoir confiance à ce gouvernement. Parce que nous avions compris qu'il ne se soucie pas de l'école nigérienne et ils se soucient plutôt de faire leur jeu politique, alors que la politique n'a pas sa place dans l'école nigérienne. Et aujourd'hui, ces taux-là ne peuvent que se rabaisser. Nous ne pouvons qu'avoir ce genre de taux, parce que même au niveau des directeurs des écoles, lycée et collège, c'est la politique. Il faut qu'un parti, le partage du gâteau, si on peut utiliser les vrais termes, le partage du gâteau est parti jusque là-bas. Ou pour le directeur de telle école, on donne ça à tel parti. Pour le directeur de telle, école, on donne ça à tel parti. On doit dépolitiser l'école. la politique n'a pas, pas sa place au niveau de l'école nigérienne. Et en ce qui concerne les taux, moi, personnellement, en tant que mon collègue je ne me rappelle pas du fois où le bac a eu à faire 35% dans ces pays. On tourne toujours autour de 20, 28, 25, 30. On n'a jamais atteint les 40%. Mais pourquoi le président de la République veut s'alarmer autour de ça Et il rejette tout sur la, sur euh, il rejette la faute au niveau des scolaires, alors qu'il est le premier responsable. Nous avons aujourd'hui des techniciens au niveau des différents ministères en chef de l'éducation qui ne savent réellement même pas c'est quoi leur travail. Et ça, c'est l'enseignant secondaire, quand vous allez comprendre, ou bien quand vous allez faire un départ sur la situation de l'enseignement supérieur, je vous le jure, vous allez pleurer. Dernièrement, le ministre des enseignements supérieurs a pris un arrêté pour demander à ce que toutes les universités puissent que toutes les universités du monde ne continuent pas l'année académique 17-18, mais qu'ils entament l'année académique 18-19. Alors que là où nous en sommes, même l'année académique 16-17 n'est pas finie dans certaines universités. C'est l'anarchie totale. Le gouvernement est en train d'échouer en termes d'éducation. Et la bête, et c'est sur qui il faut reposer l'échec de ce gouvernement vis-à-vis de cette éducation-là ne peuvent être que les scolaires et les coups de sifflet. Nous, quand nous étions venus au comité nous sommes pratiquement à la fin de quand ce nous sommes venus, euh, vous avez votre désarroi qui continue. Donc, euh, ça veut dire que le mot d'ordre a été lancé malgré vous et tout s'est passé malgré vous. C'est ce que vous expliquez. Euh, président régional euh, de l'Association nationale des parents d'élèves, quelle réaction, qu'est-ce qu'il faut faire en quelque sorte pour une amélioration de ces taux de réussite et du niveau des scolaires euh, à l'avenir, en quelque ben, sorte Pour qu'il y ait vraiment euh, une amélioration, il faudrait que l'État nigérien, l'État nigérien, il faudrait qu'on se retrouve à table avant même cette rentrée, c'est-à-dire créer un forum national avec tous les ministères en charge de l'éducation et pour qu'on puisse vraiment véritablement prendre des recommandations qui ne seront pas eh, dans les tiroirs. Et parce qu'à chaque fois, quand on arrive à faire des forums, les recommandations sont chaque fois lancées dans des tiroirs et rien ne sera respecté comme d'habitude. Et cela est de toujours de nature à créer des troubles. Et il faudrait que vraiment l'État prenne ses engagements par rapport aux finances, par rapport à tous, toutes toutes les demandes et toutes leurs obligations. Parce que les bourses, par exemple, il y en a qui, qui ont quitté, ils sont partis en vacances, ils n'ont pas leur bourse. Il y a des engagements qui doivent être donc pris du côté du gouvernement. C'est ce que vous soutenez pour qu'il y ait une bonne euh, rentrée scolaire euh, pour l'année qui s'annonce. Euh, chef Dambaji, un mot par rapport à vos attentes pour la prochaine année scolaire. Est-ce que vous restez optimiste en ce qui concerne une bonne rentrée scolaire 2018-2019 euh, Vous savez, moi je suis de ceux qui croient que la rentrée c'est un jour. Ce n'est pas tant la rentrée qui est importante, mais c'est le déroulement de l'année scolaire qui est, qui est important. Quelles sont vos attentes alors euh, L'attente, euh, la cause autour de laquelle tous les partenaires s'entendent pour justifier et le manque d'efficacité de notre système éducatif. Donc, il faut nécessairement trouver une solution. L'instabilité caractérise notre système éducatif, il faut trouver des solutions. Et ça passe par quoi Ça passe nécessairement par la prise en charge des préoccupations des acteurs de l'école que nous sommes. C'est ce que le président a dit, mais à votre niveau, est-ce qu'il n'y a pas un engagement qui peut venir de vous Comment est-ce que vous pouvez contribuer à asseoir une éducation de qualité Quel peut être votre rôle Notre engagement, il est permanent. Tant que vous savez, l'enseignant ne peut pas tricher. Le seul, c'est l'un des rares agents de l'État. Lorsque vous êtes devant vos élèves, vous ne pouvez pas tricher. Mhm. Donc, il faut faire en sorte que l'enseignant qui est devant ses élèves, qu'avant de partir, qu'il puisse euh, vraiment euh, avoir le minimum de formation, d'informations à transmettre, et puis qu'il puisse être motivé. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut que le gouvernement crée les conditions de motivation des enseignants pour traiter l'instabilité et puis pour les, pour les élèves. Vous vous trouvez normal que chaque année, que les élèves de 6e, 5e, au lieu d'octobre, rentrent certains en fin novembre ou en fin décembre parce qu'on n'a pas construit les classes périodes. On ne peut pas expliquer ça. Donc le minimum de moyens qu'il faut mettre, il faut mettre ces moyens-là Personne ne s'amuse à aller en grève ou à créer l'instabilité. Et c'est parce qu'il y a instabilité qu'ils ont envoyé leurs enfants au niveau des écoles privées. Abdourazak Moukaila, pour terminer, un mot par rapport à la prochaine rentrée qui va être euh, à la mi-septembre normalement en ce qui concerne euh, le second cycle du secondaire, c'est-à-dire les lycéens. Est-ce que à votre niveau, vous êtes prêt pour euh, cette rentrée qui s'annonce à notre niveau, nous avions toujours été prêts par rapport aux rentrées. Mais il y a un minimum. Quand on parle des rentrées, il y a un minimum. Comme ce que vient de dire notre tonton. Aujourd'hui, nous allons effectuer la rentrée en mi-septembre, mais il y a beaucoup de classes qui seront obligées de faire leur rentrée proprement dite trois mois, quatre mois après. Ce que nous voulons de l'État, que l'État prenne des engagements et que ce soit des engagements sérieux. Quelle peut être votre contribution alors pour notre, une bonne Notre contribution, hmm. qu'on crée les conditions, le minimum de conditions possibles, que ce soit au niveau du social, et que nous, on nous mette des enseignants à notre disposition, et qu'on aussi nos enseignants dans les conditions de pouvoir nous enseigner. Nous n'avons jamais, jamais demandé la terre et le ciel, nous avons juste demandé une petite condition pour pouvoir étudier. Et c'est cette petite condition que l'État n'a jamais été en même d'assurer de leur avènement jusqu'à ce jour. Fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions en compagnie de Abdul Razak Monkeila, secrétaire chargé des affaires académiques et sociales du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Abdoulaye Adamou, président régional Niamey de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants, Cheikh Dambaji, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, nous vous rappelons que nous avions invité à ce forum le directeur général euh, des enseignements secondaires euh, au ministère des enseignements secondaires, mais il nous a expliqué qu'il ne peut pas venir puisque le ministère va ultérieurement communiquer relativement à ses résultats de fin d'année. Plus tard donc, euh, c'est ce qu'il nous a expliqué. Ce forum est à présent terminé. Merci à vous, chers invités. Merci également à vous qui nous avez suivis. Excellente soirée et bonne fête de Tabaski. Au revoir.